Thank you. Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission Les Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Habiba Ahmed avec moi, Mariam Adi. Alors Mariam, comment tu vas Ça va bien Habiba. Alors nous avons quoi ce matin Comme d'habitude Mariam, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un flèche d'information pour commencer et dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons éducation numérique comme chaque comme chaque jeudi. Pour l'écho des régions, nous irons à Agadez. Et ce n'est pas tout, Habiba. Dans cette même émission, il y aura une chronique Lotti de la culture linguistique qui sera présentée en full de une page sport. Dans la partie invitée de ce matin, nous suivrons ensemble un entretien avec les chefs des cantons de Ingigmi pour parler de l'historique de la ville. Fidèles auditeurs, les belles musiques nigériennes sont aussi au rendez-vous dans cette émission Le Niger sur Kalangu. Restez branchés sur les ondes de nos médias partenaires. Top, c'est parti. Chers auditeurs, c'est l'heure du Flash Info qui sera présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Mariam. Bonjour Abiba Hamed. Bonjour Mokhtar. Nous débutons le flash d'information avec cette information du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le président du CNSP, chef de l'État du Niger, le général de brigade Abdraman Kiani, a dépêché hier 24 juillet une délégation de haut niveau conduite par le, général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur à Cotonou, en vue de discuter de plusieurs sujets d'intérêt commun entre le Niger et le Bénin. Cette visite intervient suite à la demande des anciens chefs d'État béninois Thomas Boniyahi et Nicéphore Diodone Soglo avec euh, l'autorisation du président de la République du Bénin. Rappelons que les relations entre les deux pays se sont détériorées depuis les sanctions de la CDAO. D'autres événements sont venus aggraver la tension entre les deux pays, dont l'arrestation des agents du WAPO Niger au port du Semé dans le cadre du contrôle du chargement du brut nigérien. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Lamine Zen, a présidé hier mercredi 24 juillet à Niamey la revue conjointe du portefeuille de la Banque mondiale au Niger. La rencontre euh, qui s'est déroulée en présence du représentant résident de la Banque mondiale au Niger, Hans Freiter, avait pour objectif de passer en revue l'état d'exécution du portefeuille des programmes et projets financés par la Banque mondiale au Niger, d'échanger sur les défis et les contraintes, ainsi que de discuter du plan d'action conjoint en tenant compte des nouvelles orientations qu'impose le contexte actuel du Niger. À l'issue de la revue et des discussions, les deux parties se sont engagées sur de nouveaux objectifs afin d'impulser une nouvelle dynamique au partenariat entre la Banque mondiale et le Niger en tenant compte des priorités nationales pour des projets et développements qui puissent véritablement impacter la vie des populations nigériennes. La salle d'art martiaux du Centre technique de la Fédération nigérienne de football a été baptisée mardi 23 juillet Dojo Abdelaziz Issoufou Alfaga, taekwondoiste nigérien. C'est au cours d'une cérémonie solennelle organisée en présence des présidents du Comité olympique et sportif national du Niger Kosni, de la Fédération nigérienne de taekwondo Feni Taekwondo et de la Fédération nigérienne de football Feni Foot. Cette salle désormais baptisée à son nom servira de lieu d'inspiration pour les jeunes athlètes et les futurs champions. Elle incarne aussi les valeurs de détermination, de persévérance et de discipline qui constituent le fil conducteur de la carrière d'Abdelrazak Issoufou Alfaga. Abrazak Issoufou Alfaga est médaillé d'argent olympique 2016, champion du monde en 2017 et multiple vainqueur des compétitions diverses. Et c'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 25 juillet 2024. C'est tout pour le flash. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne continuation. Merci. Bonne journée aussi. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous suivrons ensemble un entretien avec le chef du canton d'Ingingimi pour parler de l'historique de la ville. Mais avant de l'écouter, savourons d'abord les titres Zebanoko de l'orchestre Toubal de Dosso. C'est parti. Le Zebanoko est une chanson de l'orchestre Toubal de Dosso, une chanson à travers laquelle les regrettés derniers fait l'éloge du tambour traditionnel de Sintana de Dosso qu'on appelle Toubal. Dans la chanson, il expliquait l'importance de ce tambour et les conditions dans lesquelles il résonne. En effet, une raison qui est pour informer la population de la disparition du chef traditionnel ou dans le cas de son intronisation. Il faut le dire à cette chanson et qui est un chef d'œuvre, a permis à la nouvelle génération de comprendre les termes du Toubal de Dosso. C'était les titres de l'orchestre Toubal de Dosso. Passons à présent à la première partie de notre entretien du jour, où les représentants du chef de canton de Ingigmi, Mena Kasuma Memanga, nous parlent de l'installation de la ville de Ingigmi, les ethnies qui disposent de la ville, leur collaboration, leurs activités principales ainsi que leurs traditions. Reportage signé Abdellah Mena. yau shekara nawa da aka kafa wannan gari na gingime to gari na gingime kafa ce wannan da lokacin da nasara suka zo nan ne aka zama circle to nasara ya tara su dama kowane kabilu bare-bare wannan suna can suna fiye da jirgin lokacin nan nan riwa ne to da riwa ne su suna sama kamar ala misali lakudu kayya wani waloriram wani abin nan tuka busa tudu tudu nan suke dokokin da nasara ya zo ya gansu kuma ya ce nan zai yi shi shine nasara ku zo su ko kawo nasara ya kawo su a nan yanzu sun zama gegime to a ina wannan gari nan gegime din ya samu sunan gegime din to mu labarin da muka ji sunan jegime wannan aka ce jegime je kimiya kamar kanari rouge ne haka nan ne da suka gani kanari rouge wannan shine aka sa sunan nan jegime kamar da misali a nan kin akwai kanariro jikin da yawa ne to akwai da yawa ina tamani tunda aka sa sunan nan kamar yanzu eh, wani kabilu ne suka fara zama a cikin nan garin gegime din a wancan lokaci na nasaru to kabilun da suka zamna su ne kanumbu eh kamar yanzu ana ce bari bari wannan su kanumbu ne suke farko wanda suka zamne a nan nasara ya tarda su kuma ya kawo su zama wuri guda kasan kanubudin masu ma grup grup grup ne suke kashi kashi suke a kuma kusa da kusa haka nan ne suna abin da nasara ya zo yake da ya kafa circle nan shi nasara ya kawo su anan suka zama gegime a halin yanzu wani kabilu da wani kabilu ake iya samu a nan garin gegime yanzu dai kabila da na Niger wannan yana tamani dukkan su akwai ban da ban sani ba kamar su gurmance eh gurmancen ma dai akwai wanda service ya kawo su wanda sun zamna kamar yanzu su fulani su laraba su buduma su kuburi su Kano redin da su jabarmanci tubawa labaranci dukka kabilu wanda yake zamne a nijar wannan buzaye dukkan su akwai yanzu mm, a cikin garin jigimi wannan To yanzu misali menene ayyukan al'umma ta nan garin jigimi Al'umma ta nan garin jigimi da duka dama karfin su da noma, ciwo da kaman shi Wannan ne kabilu dan jigime shana'ansu wanda suka gada to kamar yanzu ya zamantakewan wannan kabilu yake ya zaman su akwai matsala ne ko ana zamanin lahiya babu matsala komi tunda zuwa yanzu dai na san dai akwai armayanke ya tsakanin su babu kabila da yanzu yake a nan jigime yake zamne wannan bayi arme ba cikin wani kabilu babu babu wani tashi hankali komi babu komi zaman su mai kyau ne arme ya hada mutuwa ya hada komi tare muke da kasuwanci yanzu menene al'ada na al'ummar garin gegime to al'ada na mutane garin jigime wannan kamar misali na da in ka doka da ka san babu kudaje da yawa kamar haka nan kuma babu wani abu da kaya wani menene da yawa haka nan da da yan aladan jigime kanubu wannan da ana armiya da yansu busan dabbobi ne ana yi su shanu shine ma a tambaya eh, da an tambaya wani sadaki wani menene duka shanu ne za a bada ba iri na kamar na yanzu wani zinariya wani kudi wannan da babu shi da dobobi ne kurum ana bada kuma armen ma da ba kai ba ne yaro zaka ta yi ka gani yarinya ka ce kana so zagaya ba haka ba ne duka tun da al'ummar mutan guda ne za a ce diya wannan gidan wannan ko baka gani ba za a ta yi tambaya shikenan an bada sai ran da an kawo gidanka ne zaka gani matan na kama su maramki ma shi ma babban alada mu ne mu kanumbu nan nan jigime da shi ne ma babban wasa kuma a shakara shakara ne ana yi a shakara shakara lokacin da an yi noma an kare an tattara albarkatun noma da shine ana yi maramkin nan maramkin kuma za a tara kudi samari da mata a sa wani sarkin samari wani kacalla wani girema an sa kuma bangaren mata ma akwai magaramkin su da komi za a tattara hasi za su bada su taru su yi sallah sosai ma yana kada hali kai har mutane kauye kauye wannan ma duka suna kawo abin nasu kamar sadaka ne kuma kamar wasa ne ma za ta yi bayan gari tare da yan mata da samari za su wuni can za su yanka sa har fudu biyar ma suna yanka can suna gasha mutanen da sun tai can duka suna ci suna sha har da marke kogin nan da lokacin da mu mun sani ma dilaran wannan dukarewa ne nan yanzu kana haya julari ma sai akwai wannan gindin dibino dibino wanda aka aje zaka hau busan shi zaka sallake angon yulare wannan wajen a wannan ma nan duk karuwa ne yanzu lokacin nan da mu amma ba mu gani ba har nan gidan sarki wannan doki in yana gudu sai ya fi daruwa in suna gudu wannan wannan ma mun ji labari haka na ma mu ba mu gani wannan din ba amma a ruwa wannan daga can ya zo kudu ya zo ya shiga nan dilaran ya wuce anguwan julari wannan sai da busan wani abun nan yake yake ne zaka tsara wannan wannan mu ma mun gani shi ka san jirgin wannan busan ruwa ne muke zamne eh ruwa yana kusa busan ruwa ne yanzu komi ruwan da lokacin da ya koma komi ya koma har nisa ya taima nan rijiyan kanto ne bai wuce ba gaba biyu uku tunda mu busan ruwa ne muke C'était là la première partie de notre entretien. Allons pour un autre tour à musique avec les sons d'un jeune guitariste d'Agadez, Adam Mohamed. Adam, connu sous le nom de Adam Lemek, est un talentueux guitariste qui milite pour la promotion de la paix. Il regroupe les jeunes de la ville pour se retrouver au courrier des Teloa les soirs pour prendre du thé et profiter du zéphyr durant cette saison pluvieuse. Selon lui, c'est le moment idéal pour changer la mentalité des jeunes et leur inculquer des valeurs culturelles. la seconde partie de notre entretien, Mena Kasuma nous revient sur l'historique du canton de Ngimi et les modes de règlement des conflits communautaires, toujours au micro de Abdoulaye Mena. ta mu mai albarka nan jigimi kam nasara ya zoma suna da sarkin su shine nasara ya tara su wuri guda ni bani ya ce gashi shekara kaza kana amma zai wuce dari da sama ne to kamar misali tunda aka kafa wannan masarauta ta garin jigimi zuwa yau sarakuna nawa ne suka yi mulki a wannan masarautar to sarakuna da mu muka sani lokacin nasara zuwa nan wannan sarakuna kakakalli ya zauna bayan shi mai muktar shi ya zamna bayan shi mai manga ya zamna bayan shi mai umara a fagana ya zamna to yanzu ga bayan shi mai inisa mai manga ɗaya bayan ɗaya sai a gaya mana kowane sarki da sunan shi da kuma shekarun da ya akan mulki kaga kalli wannan da ya kai shekara arba'in haka ya zamna bayan shi mai muktar wannan da ka kalli ne shi shekara uku ne yayi bayan shi mai manga ya zamna wannan shi ma shekara goma sha bakwai ne yayi to bayan shi mai umara mai abagana shi ma ya kai kamar ko shekara arba'in to bayan shi mai inisa mai manga ya zamna shi ma so biyu ya zamna a nan garin jigime sarki na farkon da ya zamna zama ya kai shekara kamar goma sha biyar to bayan aka aline shoferi kinsi kuma bayan aka yi election kuma ya samu ma yanzu ma ya kai ko shekara ashirin da shida to kamar yanzu misali wani abubuwa na tarihi ne ake iya samu a cikin wannan masarauta ta nan garin gegime to masarauta nan gegime abu na tarihi da yawa ne to ko da yake yanzu zamani ya kawo wani abu baya amfani da shi ma akwai su a cikin sarakai suna aje akwai kamar su tambari sun ga wannan wanda da farko ana yaki da shi wannan kamar jile ne wani fata na shanu wanda ana yi da ka san lokacin nan babu bindiga su mashe da su kubiya da wannan suna yaki wannan suna doka ka suna tarya wanda ya jafa maka kai kana tarya shi shine nga ana ca shi ma akwai shi da su algeta da sauran da ganga duka akwai a masarauta abin tare wannan duka akwai su da akwai dawakai ma da kayan su na gargajiya ba na iri na kamar yanzu da macara suna yi wannan bane da kayan nan kasan kayan doki sai can wajen lubi ko wajen kasan dai laraba ne can ne za a neman su irin na azuba ne na da wannan duka amma yanzu ne zamani ya sake da ana yi na karfe da su wani abu nan da duka na azurfa ne akwai su yanzu ma na azurfa na akwai ya cikin masarauta na da wannan manyan layoyi akwai duka abin da na tarifi na da wannan akwai su a masarauta yanzu idan sarki yana hawa wani irin hawa ne sarki yake domin ya fito to sarki dai da dai mun san lokaci abu biyu ne sarki wanda zai hau dauki kamar sallah wani ko president yana zuwa wani dai duk da bako mai daraja inda yana zuwa sarki zai hau menene matsayin mata a masarautar garin gigime mata suna da babban abin da suna yi a cikin masarauta da ka gani ana ce akwai magaram magaram na wasan akwai na wanda sarki zai nada akwai akwai gamsu shi matan sarki wannan shine kamar irin na kamar president ana ce a premier dam shine a masarauta matan sarki shine kamar premier dam na cikin al'umma shi ana ce mishi gamsu to gamsu wannan kowane sallama da mata suna zuwa in sallah ne za a gaishe su na suna kawo ma wani goro wani menene iri wannan abun na kyauta kyauta wannan kuma shi ma yana nada karkashin shi mata inda kamar ko wani biya babban taro haka nan ne akwai wani ana cewa za akwai masu dafa na abinci duk da irin na abun harkan da mata ya safe su ne ma suna jogara eh mata na sarauta wannan idan wani rikici ya faru a wannan masarauta ya kuke kokarin magance ita matsala a masarauta dama akwai abin nan bulomomi a kasan sarki da lokacin da mun sani ko ne wani anguwa in dai masala ta samu wajen bulomomi da limani anguwan da su ma suna kashe magana kuma sulhu ne ana yi sai an kashe magana za a zo a gaya ma sarki ma yanzu kurin mutum ya tashi direct nan zai ta yi wajen sarki ko wajen wani yuko da wannan babu anguwa ne za a kashe magana an kashe magana tun da sarki shine ya nada bulomomin nan suna kashe magana sun kashe za su zo su ce ma ga faru abu kaza ya faru mun kashe kuma da lokacin da mun sani magana wannan mutum biyu ko kabiru biyu an an ta ba kamar irin na yanzu ba wannan wanda mai laifi shi ma zai biya kamar zai bada wani abu muta wancan mutumi kina dan ya bata mishi ko rai ko ya bata mishi abin na suna za a sha sa shi a bayan shi amma na da wannan masu laifi din ne ma za mu bashi kaza za mu shiga bayan shi kai wanda da kayi laifi mutum shi ne ma da mutanen ku za ku taru wannan mun yi min laifi laifi ga abu kaza ko doki ne da lokacin nan babu wani kudi wani menene doki ko za a bada ko shanu za a bada ko dai akwai haka za a bada za su shiga bayan wancan din kasan wannan sulhu ya zamna ya zamna kenan babu tunda ba shi ba dole ba ka sa shi ya biya kuma su da jama'an su duka su ne masu suna ga abu wannan mu lalle mun yi mishi laifi ga abu kaza wannan mu za mu bada za mu shiga bayan shi tunda duka al'umma guda ne za a shiga bayan shi kuma kamar ba yi ba komi haka nan ne da ana sulhu yanzu zamani ya sauya na da kai mai laifi din zaka doka laifinka kuma kai ne zaka nema ma ka jara da mutane wanda kai ma laifi ne jama'an da wanda kai ma laifi ne yanzu mai laifi shine zai ta yi wajen yuko ko wajen kuma wannan ya yi mini laifi wannan C'était l'entretien du jour réalisé par Abdoulaye Mena. Chers auditeurs, on prend une petite pause et on se prend juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 25 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire consacrée à l'éducation. Au Niger, dans le but de faciliter la gestion et le fonctionnement des écoles primaires, des structures appelées Comité de gestion des établissements scolaires, CGDS, sont créées par arrêté ministériel. Grâce aux cotisations des communautés, les CGDS contribuent dans le financement de l'éducation en plus du budget de l'État. Comment ces comités sont mis en place dans une école Réponse dans cette interview de Wassalke Bassirou, inspecteur pédagogique à Kouré, département de Kolo. Il est interrogé par Aline Yali. Dans notre jargon, quand on dit COGES, c'est au niveau du secondaire. Mais au niveau du primaire, c'est le CGDES, le comité de gestion des établissements scolaires. Ces COGES euh, sont institués par arrêté ministériel et c'est des organisations qui nous permettent de gérer la question de l'école avec la communauté. Le CDGS, Comité de gestion des établissements scolaires, comment il est mis en place Dans une localité où il y a une école, la première structure à mettre en place, c'est l'APE, l'Association des parents d'élèves, qui regroupe tous les parents d'élèves, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Ils choisissent des membres qui vont représenter la communauté et qui vont répondre à toutes les sollicitations de l'école. En mettant cette structure, nous les sensibilisons chaque fois de faire en sorte que si c'est un village, qu'il y ait un représentant de chaque quartier, hommes et femmes. Si c'est un village à habitat dispersé, parce que la plupart de nos brousses sont des habitats dispersés, tu peux trouver le village mère mais il y a quelques-uns qui peuvent habiter dans leur champ à 2-3 km. Donc on doit tenir compte donc de leur euh, dispersion pour prendre des représentants dans chaque petit hameau. Comme ça, dès qu'il y a quelque chose, l'information, ça va circuler partout. Après l'association des parents d'élèves, la question de femmes, la question du genre est encore mise en exergue. On met une association des mères éducatrices parce que les femmes, entre elles, se gèrent mieux qu'avec les hommes. Donc là aussi, on choisit, c'est de la même procédure, mais cette fois-ci, c'est uniquement des femmes. On choisit un comité de 5 à 7 femmes qui sont un peu éparpillées et qui sont vraiment dynamiques et qui peuvent se mettre à la disposition, en tout cas, du village. Après l'AME maintenant, au niveau des élèves, le gouvernement scolaire cette question est un peu négligée dans certaines écoles, dans certaines inspections, mais quand même, il serait bon que les élèves pour lesquels nous nous débattons soient aussi organisés. Eux aussi, ils ont leurs représentants. Maintenant, on met un petit comité restreint qui peut se réunir à, à tout moment de sept membres. Et ces sept membres-là proviennent des trois structures. Si vous prenez l'APE, c'est le président de l'APE là qui devient le président du CGDS. C'est maintenant le représentant des enseignants qui est le directeur d'école, qui est le secrétaire général de ce CGDS. Une femme de l'AME, c'est elle qui est nommée trésorière. C'est toujours souhaité que, en tout cas, euh, la question de trésorerie là, soit gardée par une femme pour éviter, en tout cas, des détournements. Comment cette structure contribue au bon fonctionnement des établissements scolaires chaque année, ils font une planification une planification annuelle qu'on appelle plan d'action annuel. Le plan d'action annuel est structuré en beaucoup de volets. On prend un volet par exemple qui va leur permettre de garantir la stabilité, la sécurité, la fréquentation des élèves. On peut prendre un volet qui s'occupe maintenant de tout ce dont l'école a besoin pour fonctionner. Et il y a encore un volet qui prend en compte euh, vraiment l'aspect apprentissage des enfants. Et maintenant, on essaie de budgétiser tout ça là. Et le budget est alimenté par les parents. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire consacrée à l'éducation. Habiba, allons encore en musique. Cette fois-ci, on va écouter Hamsou Garba. C'est parti. la cantatrice légendaire, est reconnue au Niger et dans le monde entier par ses compositions uniques. Elle chante les sujets d'actualité tels que les mariages précoces, l'amour de la nation, la politique, les hommes qui ont marqué l'histoire du Niger. La chanson en hommage à Mangarba Garba décédée montre l'amour qu'elle a pour la culture nigérienne, étant donné que et est les pionniers de, la culture nigérienne. La légendaire nous a quittés au moment où le Niger a besoin d'elle pour ses chansons très engagées et patriotiques. auditeurs, place à présent au reportage régional qui nous amène à Agadez, plus précisément à Arlit. En effet, Habiba Arlit a de nombreuses femmes et filles mendiantes ont quitté leur famille à cause de la famine. Elles font face à un refus de la population locale de les aider, ce qui n'empêche pas le nombre de mendiants d'augmenter. Certains sont même obligés de chercher refuge dans des pays voisins comme l'Algérie. La mendicité devenant leur seul moyen de survie. Écoutons le reportage de Moutar Abdoulaye. Sana'a bara sana'a ce da ake danganta da masu larurar nakasa sai dai sana'a hankali tana son kasancewa ta masu karfi ko jini a jaka. Kuma su mata ne magidanta ko 'yan mata waɗanda suka bar yankunan suna asali da suke yada zango a gunduma a domin wannan sana'a ta bara. To ko suna kai ga samu a cikin yawon barace-baracen da suke yi tambayar da niwa bara'atu ta fito daga yankin gazawa. tare da hajara ta fito daga yankin karam ga abin da suke cewa In muka hito bara ga jama'a wani ya bamu wani bai bamu wani ya mun mugunyan magana duka mu ɗauka saboda kai da baka da shi baka da wata zuciya baka da wata hassala idan kana da shi ne kenan in mutum ya taka ana samun matsaloli da dama tunda mu dai nan gurin da muka zo nan gurin nema mun baro ɗakin mu kuma neman abinci ne kawai yake huddo mu inda muna samu ana taimaka mana Allah yana taimaka mana ga baki ɗayan mu da mu da al'umma kowace tana iya komawa ɗakinta ta zai ta zamana cikin asirin tarihi. Salbiya matashiya ce wadda babu ce ta fito da ita daga gida ta ce bara ta zame musu dole ce duka da dai ba wani samun suke yi ba. sai ma kallon banza da ake yi musu da kuma neman su da maganar banza ko shashanci daga bangaren maza kasancewar ta matashiya ga ma abin da take cewa wallahi ban ma samu dai kawai dai ana yawon bara ga tare ana yawon bara amma ba dan ana samu kamar yanzu wani shi ya kiraye ka ce ka zo kuma ba baka ba ma zai dan ya ma gaya ma wata maganar da ba ita ganin dai a kullum bakar wahala ce suke sha wajen yawon bara da kuma karo masu sana'ar yasa malama baratu suka kira ga makabata da masu hannu da shuni samun musu abin don su koma yankunan suna asali tare da iyalinsu. hukumomi da masu hannu da shuni abinda muke muke bara gare su su taimaka mu Allah ya taimaka mu kenan muna iya koma kowa ya koma matsayi ne ya zamana saboda wanga yawo dole ce ta amma in an taimaka mu ya mace ta baro ɗakin ta ta hito kenan ta hito cikin matsaloli kawai a ganta dai rayuwa ba mai daɗi ba sana'a bara sana'a ce da musulunci ya hani da ita sannan kuma hukumomin ƙasar nan sun sha gargaɗi har ma da ɗora doka kan masu sana'a ta barace barace Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. C'est l'air du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. En forme ce matin euh, Abiba, je n'ai pas pris du café pour le moment. Mais je vais prendre, hein, je serai en forme. D'accord. Ne t'en fais pas. <laughs> Alors à euh, aujourd'hui nous allons parler des TGV, des Balayara et des Anders. Euh, oui, euh, Myriam, restons d'abord à Baleara, où les jeunes vacanciers ont initié un tournoi de foot. Objectif consolider l'unité et la solidarité entre la jeunesse de cette ville de Baleara. Suivons Sofiane Garba, un des organisateurs de ce tournoi, au micro de Seyd Abdou Winditan. tournoi de grande vacances irgonde ni kanga tede irko ba sol solay alhamdulillah kan cindir sede kici irgo cecir mu konde bore kan irgi bay gingir ga aksinai ir kan nan ir har tournoi de grande vacances dini ir mati irgo bore bon e ferzation furta jewdini char morgu go forite im wafu kai im char bay im char no bari nge la bon kan nan ir tournoi de na sintinam sintin bani am sai ba harande dai tagzal labo kulu kwar kul kan bay nge gonde equipe furta jangon kango bala dakar igihin hinka turnuwa wani wura balo kirgo kwegite balno kan fulan zamai bere wato ni gati in bai mu kan balno kan agi hinga kan da borsi gomni kan si ga ba mila turnuwa wani dumara yara idu juwara niger kan fatta e hal niger labore ko hala nasare labi go sin koi koyro cengo kai ton ni do de kici in bai kan for fore kirgo gate ganin labo mu kan samai a ganin labi zai mu carbai ganin labi zai ikoy de cardo a am gabu ga tonton Voilà, c'était la euh, Sofiane Soufiane Garba, un des organisateurs du tournoi de Baleara. Gourouza, quittons Baleara pour atterrir à Zender où un tournoi des grandes vacances est organisé également. Oui, Abiba, euh, c'est un tournoi qui a été initié par un ancien gardien de but de l'espoir de Zender. Son nom est Maman Lawan, dit SCP. 20 clubs participent à cette compétition du donner et de recevoir. Quels sont les objectifs de ce tournoi de foot Suivant les explications du promoteur Maman Lawan du SCP au micro de Ali Keita. L'objectif de ces tournois, donc, euh, ça va permettre à nos joueurs vraiment d'avoir les formes. Parce que, comme vous constatez, ça fait longtemps là. Si on commence, si on débute les championnats, quelle que soit euh, la première division, Ligue nationale, et donc vous allez remarquer que nos joueurs n'ont pas vraiment de forme. Mais compte tenu aussi du vacances, donc on a programmé ça pour que les gens là aillent avec leur forme. Parce que dès qu'on dit que voilà la date du commencement. Vous allez voir que maintenant, s'ils ils ont eu leur forme, donc euh, le début ne nous cause pas de problème. Nous en avons 20 euh, clubs. Maintenant, on a éliminé 10 ça nous reste 10. Maintenant, 4 équipes sont là en train de jouer pour rejoindre les 6 qui sont déjà en quart de finale. Après, maintenant, les deux là vont rejoindre les 6 pour faire 8. Maintenant, non, on va jouer la quart de finale, la demi-finale et la finale. Voilà, c'était là Amaman Lawan, promoteur de ce tournoi de foot de Zender au micro de Ali Keta. Grouza Zender pour DIFA pour parler de la lutte. Les jeunes Boudouma ont initié un tournoi d'élite. Oui, Myriam, 80 lutteurs venus de 16 villages sont engagés pour ce tournoi euh, qui va durer 10 jours. Le tournoi de lutte est dénommé Championnat de solidarité dont l'objectif la paix durable dans la région de DIFA. Et voilà pour le sport aujourd'hui. Merci Gourouza pour toutes ces infos sportives. À, demain, Inch'Allah. <laughs> Habiba, le portrait du jour nous amène à la découverte d'une jeune guitariste. Combien sont-elles les jeunes filles qui maîtrisent un instrument de musique la question mérite d'être posée même si une révélation a vu le jour à Agadez. Fatoumata Hamed est une jeune Touareg qui a la trentaine qui a fait de la guitare sa passion. Aujourd'hui, grâce à cette guitare, Fatima a fait beaucoup de découvertes et Karim nous fait son portrait. Écoutons. Fatoumata Ahmed est une jeune Touareg qui fait partie du cercle fermé des solistes femmes maîtrisant parfaitement la scène musicale. Elle joue de la guitare avec plusieurs styles. Comment s'était-elle retrouvée dans cette vie J'ai eu l'amour de jouer la guitare et de chanter par passion depuis 2002. Donc j'étais avec des amis qui la guitare et la chanson étaient leur activité principale. C'est de là que j'ai commencé à m'entraîner à jouer la guitare en maîtrisant les notes que j'accompagne avec la chanson. La musique en vérité est décrite comme le paradis des jeunes. Fatoumata Medelher ne se sent à l'aise qu'à un seul moment. C'est quand elle est avec son deuxième amour, la guitare. Grâce à elle, Fatoumata a eu à voyager, se faire des amis et s'entretenir. La guitare et la chanson représentent tout pour moi parce que grâce à cette activité, j'ai beaucoup voyagé comme Australie, France, États-Unis. J'ai eu des amis, de l'expérience et au-delà, ça me rapporte de revenir avec lesquels j'arrive à m'entretenir, à payer de nouveaux matériels pour mon activité. Les difficultés ne manquent pas pour Fatoumata qui est la seule jeune fille qui joue la guitare moderne à Gadez. Les difficultés, ça ne manque pas car aujourd'hui, je suis la seule jeune fille qui joue la guitare et qui n'est pas soutenue, ce qui décourage vraiment. Je n'ai pas un groupe dans lequel je vole ici à Agadez. Et ce seulement c'est mal vu de voir une fille jouer la guitare moderne ici à Agadez. L'ambition de Fatoumata est d'avoir son propre groupe musical et former d'autres jeunes filles passionnées de guitare. Merci à et Karim pour ces magnifiques portraits, Chers auditeurs et auditrices, pour bien boucler notre playlist, je vous propose les titres Loubet de Maliaro. odor alla C'était le titre « Le C'était le titre Batou de Maliaro. Passons à présent la rubrique Lotti du jour Habiba. Oui, Mariam, les lotus d'aujourd'hui portent sur le contrôle parental sur la télévision, le téléphone Android et tablette des enfants pour éviter d'exposer cette frange de la population à certains contenus non adoptés à leur âge. Fantachom Sou et Arimi nous présentent une situation. On les écoute. Hey Wai wai wai wai wallahi mun kwaso gajiya. Barka Roma. Ai barka ka dai ke dai bari yau mun kwaso gajiya sosai. Ai gajiya kai akwai ta. To wai ma ina yaran suke? Ai ya ci a ce sun sabko daga makaranta tun ɗazu. Lallai dai kam to duwa ki gani watakila suna cikin ɗakin su. Bari in je in Kai kai kai kai, mi nike shirin gani, mi kake kallo? Subhanallahi, kashe mini wannan kwamfutar, ko waye koya muka kallon wa'annan mugayen abun. Bari babanka ya zo, za ka gane kuranka. Hmm. Ke, kawata wai lafiyar ki kuwa? Anya kina jin da kike ihu haka, ko ina ana jin ki har bakin kofa. Hmm. Ruma bari abun ne ya fi karfi na, ai ke ma dan baki ga abun da na gani bane. Marwan ke kallon irin mugayen shafukan nan na yanar gizo akan kwamfutarsa. Kwamfuta kuma? Shi yanzu wannan ɗan mitsitsin yaron har da kwamfuta kuka bashi. Haba, to don ya mi da ita ma wai. Ai wai abokanansa na makaranta ne ya gani suna da shi, ya zo ya ɗora wa baban shi kuka sai an saya mishi guda, sannan baban ya sayo mishi. Amma yanzu, kin ga wannan al'amarin ya fi ƙarfi na wallahi ruma. Komi muka gaza a cikin tarbiyarsa. Ke uwa, kwantar da hankalinki kin ji ai ba zancen tarbiyyar da kuka bai wa 'ya'yanku ba ake yi a nan wurin masu ɓata sun nan a waje ne suke shi ake magana a nan kin gane wato mugayen abokai a makaranta ko cikin anguwa eh mana ai ni ma na samu irin wannan matsalar kwanakin baya da ɗiya ta safi jan Allah kuma baki taɓa min magana shi ba da gaske ko nake miki ƙawa. amma fa akwai mafita a nan. To taimaka mini kawani dai wannan abun ya ɗarme mini kai sosai. To da farko dai ki sani kariya da tarbiyyar ɗiyanki tana da dangantaka da kulawa da su, kamar kulawa da fita da dawowarsu, da kuma abokanan da suke yawo tare. Amma fa ba tare da kin sha musu kai ba, sai kuma kin lura sosai da abubuwan da suke yi akan yanar gizo, kuma zan ƙara jaddada miki, kar ki matsa musu, kar ki tsattsare su. kar ki tauye hakkinsu. Wai, ni kaina, to yaya ma zan iya yin wa'annan abubuwan duka da kika zana mini? Ki sani, incin da ke gare ki a matsayin ki na uwa bai da sauki ko ɗaya, don idan kika matsa ma yaro zai iya kangare miki gaba ɗaya ya kun kumbishire miki. a duk sanda yake ƙara girma sai kin kama jikinki sosai. Don Allah ki rage wannan dogon ilimin naki, ki tsaya, ki mini bayani da kyau akan yadda kika magance matsalar ki da iyaki? To in dai har akan kwamfuta ne, abu mafi sauki shine ki samu manhajar nan wanda uwaye za su iya lura da duk abin da ke faruwa akan kwamfutar ɗiyansu. Ki sauke ta akan kwamfutar shi. Sak za ki rinka ganin duka wani abu da yake yi akan kwamfutarsa. Kuma duka irin mugayen shafukan nan za ki iya taushe su yadda ba zai iya hawa a kansu ba har da mugayen firarrakin nan ba zai iya yi ba. Hmm. kuma yana aiki da kyau ɗari bisa ɗari mako in dai har ba kalmar sirrinki suka gane ba to baki da matsala ko ɗaya. dan idan yara suna hawa waɗannan kafofin na sada zumunta kamar su Facebook, su twitter su instagram kinga suna iya yin hira da waɗanda ba su sani ba kenan kinga akwai matsala a nan wurin kai wannan abu kamar da wuya yake wai an ce gurguwa da auren nesa ko ɗaya ƙawata kawai dai zai ɗaukar miki yan kwanaki ne kinga idan mai gidan na ke zo ku firanta a kai don ku samu ku fara tun wuri kafin nan bari ki ga in tashi in kwace dukkan wa'ansu na'urori da ke hannu shi da yan shi ai bari ke dai yau kin taimaka min kin wayar da kaina na gode sosai ƙawa. ai ba komai ƙawa Chers auditeurs, c'était là les lotis offert par les desk femmes du studio Kalongu. Écoutons ensemble l'explication du mot de la semaine qui est noyade en full full day. Bonjour Nelly. Bonjour euh, Abiba. Bonjour Mariam. Bonjour Nelly. Merci. Chers auditrices et auditeurs de Niger sur Kalangou, bonjour et bienvenue à notre rubrique culture linguistique de ce jeudi 25 juillet 2024. Comme bien indiqué, le mot du jour est noyade. Ce mot a été expliqué en anglais, en français, en germain et en hausa. Aujourd'hui, nous l'expliquerons en fulfulde. Bandirabe Barkinabe Hitinani sigilaji studio kalangu et sigilaji niger sur kalangu et lewru avril hitande duuɓi ujunere ujunaji ɗiɗi e lasso e goho hawrine dental leyɗe duniyaru joɗɗini batu durwude hisinde himɓe duni fa hande yolade nder pete na beeli lasso e joyi lewru juillet hitande fuu batu go e nden waɗete nder leyɗe duniyaru gam firtude ko e himɓe anda noɓe tokkira hisude jolaki nder beeli pete leyɗe maɓɓe ganduni fa hande nde en dari naabi en ndeɗen miccito lewru novembre wittinu du enden ni ko watta gure naabi en ci'e keme nayi ka en ndiyan ñaami na hoosi yolude ngam ndiyele ɗe enden duni fa hande no ɗon no ƴeeña beeli ɗi enda no ɗon no gatti duni fa hande ci'e ɗe enden caka nder laabi duni fa handen juɗɗinaɗi hisinde himɓe jolaki no limte duni fa hande ekkitade jinaki denne bandiraɓe bawɗo yinade fuu no hani noon durwa ekkintinde rimdaɓe mum jeydaɓe mum kamfu fuu e wondiraɓe muɗum ɗo du fa hande min darto dow nantinol konngol yolade ko wiyete noyade nder françire on barkini fa yewto voilà tout pour aujourd'hui Merci, Merci Yali pour cette éclaircissement. Merci, bonne journée à vous. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots, expressions dont vous souhaitez avoir l'explication, en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde. N'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. kalanguwo labari kulkani manuma bai kan tabbantano ina dahirandi no di mana dahirandi isa sambar kalangu asabu seno hunkuna irgogo din ne kayan wani koygol mino ra kayan kalangu dai no irgogo hangan gum sanda labarai ki ga borno ya ne hangan ni ga bai da kai wallahi raja gogo da cimi bai ga tamme ni kyar su ban no ikan ga na hankan gai ki kula an borai be jandi no wat kun rajo kalanguwo isi fata hanganan irgogo koygol mino ra no isaki ide mhm. koygolo isido kalangu languri gudwaya isigirai sinda tali isigirai kirga hangan igo gini hangan da gabi paske dubon hangan igdu bon fere bobu borga ma labari yan studio kalangu kan sima radio jarai bumbora aseni hangane yanga kanisi afu kulsini kansi kanisi lakka noga didi yamarenga kigi te boraisi nguno ga kanir se gumo si do kalangu irga sabi se kini irga sabi se zari iko mal barka da igo tere ga ai gonda sabi mo kai ga to nan dido wana wana wai bore jin ko yon fondara ki yo wai bore ga ka da sanka to bandai di himana ido hare wodin se deni go kanai ima ko kari se irmo irwe bore mi se de banda ir ko mi di se ir mi di bu jama ci kan wai boro gonda ba hal ba hal su si nga dai na go kana sai ni mazamni ne a nan karkara ilela mu muna samu muna dan saurare muna suivirkin studio kalangu bisa facebook gaskiya muna ɗari bisa ɗari bisa eh, take yi magana bisan su eh, na wajen karkara ita ko yau duniya ga mazamnin karkara kullum kamar wa'azi ne kullum sai ana tunatashe sheshi yake yi abubuwa da yawa da kuke yi muna jin daɗin shiri wannan surtout wannan na wajen raya muhalli mu muna son mutane ku zanyi ke eh, wa'annan abubuwa in kuna yin su muna sauraren ku za mu rage abu da yawa shi ne kamar wanda nace kamar wa'azi ne kuke yi wannan abin kamar bisa harkar gandun daji ma kwanaki na ji kun safara wasu abubuwa na ji daɗi sai ni ta neman ma yi in samu irin nima in zan ba da albarkacin bakina saboda yau mutane kowa abai da lahiya gidan likita shekataya to ya kamata ai daji ma eh, gona ce daji ma rai gare shi kenan in ka samu akwai inda aka tattauna bisa wadda ake yi daji shi hudu to ka gani wannan shina ƙara mana ƙarfin gwiwa da mu san namu ga wadda ya kamata mu yi da shi amma sai zamanto mu na nagara duka da agare mu communautaire da sun ka fara mana waye kai to yanzu duk sun ɓaci sai ya shi ya sa muka dibin ku eh, studio kalangu bisa su facebook tunda inda nan ga ka muna na yi ka gani da in aka samu haɗin gwiwa to da alhamdulillah da abin ya ci gaba sosai wadda ma eh, kowa da kowa zai gane Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Ici la fin cette émission de ce jeudi 25 juillet 2024. Vous étiez en compagnie de Maria Madé et Habib Ahmed. L'édition a été assurée par Adam Adawaki et à la technique c'était Issa Si vous voulez réécouter cette émission, allez-y dans notre site web www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. Bonne journée à vous. Bisous bisous.